sur euh, la, relance des activités de la culture donc le euh, ministère de la culture initié donc euh, moi j'ai quand même acteurs toutes les catégories confondues man am am naa ci ñaari en tant que présidente conseil d'administration de la SODA, mais également en tant que productrice donc nous avons fait le qu'on fa parce que tamit lu acteurs il la demander demandé beaucoup de président de la république indee de faire loo xam ne que ne dinañ ci am bu parce que nous xam nga que le secteur de la culture est confronté ak des problèmes même avant la pandémie donc pandémie bi aggravée. gën

qui dit cela dit perception par rapport à spectacle vivant spectacle vivant yi ñuy tëgg ci restaurant yi bar yi grand théâtre fépp foo xam ne rek dafa nekk lieu de diffusion boo xam ne ni que ni dañ fay exécuter œuvre euh, droit dafa dafa am yoon donc su fekkee ne on arrête les les activités euh, naturellement euh, la SODAV dafay am problème pour pour pour pour am perception yu baax pour mën a artistes en en en contrepartie ñu mën a jot seen répartition mm-hmm. donc loolu aussi mu nekk benn moment bu bu nga xam ne ni que ni dafa difficile pour ñun mm-hmm. Euh, mais malgré les difficultés, SODAV a vu que bi affaire bi avec les moyens de bord. pour amener un peu d'aide euh, aux artistes. et puis depuis lors voilà avons euh, fait faire de telle sorte qu'au au moins les répartitions nous xaw ko même si ce n'est pas li nga que nous Parce que parce que nous suñu projection par rapport à 2020 ça dépassé carrément le, montant extraordinaire mais avec la pandémie lu avons la des donc euh, xawa a ay ay ay programme par rapport ak ak ak sunu ay perception en fait xam nga xam nga xam nga euh, moi j'aime bien que ñuy ñuy euh, ñuy disons ñuy critiquer mais que nous dem dans dans le sens constructif parce que mbir mi ñoo ko bokk SODAV du benn nit moo ko mbiru yi la donc loo xam que yaa ko moom doo génn ca mbedd ma nga koy wax da koy ñëw rek la ko s'il y a des problèmes euh, euh, je pense que les gens peuvent en débattre maintenant nag on est en démocratie les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent mm. mais je voudrais juste euh, dire que ces quelques artistes ce ne sont pas les artistes tey SODAV géré wul kese musique SODAV c'est une société pluridisciplinaire donc lépp ñu ngi ci lépp ñëpp ñëpp ñu ngi ci de de telle sorte que que ñun suñu liggéey dafa dafa dafa leer ndaxte euh, on fait des bilans certifiés yoo xam ne ni que dañ koy def ci internet bi ñëpp am ko donc c'est c'est une maison de verre boo xam ne ni que toutes les informations dont nit soxla na ko rek euh, nga nekk membre SODAV nga nga nga nga nga nga ci pourtant par exemple ñi nga xam ne ni que ni ñuy fustiger la SODAV par exemple suñu xoolee euh, c'est c'est l'association Saïwi. Par exemple, Idriss Diop, il n'est pas membre de la SODAF, il est membre de la, de, de la SACEM. Mm. Euh, euh, Jules Gueye, par exemple, on l'a donné débattre la dernière fois la télévision il ne respecte pas les droits d'auteur, il ne paye pas les droits d'auteur am il ne respecte pas le, le paiement de, du, du droit d'auteur. Donc moi je pense que aujourd'hui on est dans un milieu où il faut que ñuy apprendre à de jàppalante. Mm-hmm. Bu ñu jàppalante si la ñuy nous secteur di am doole si la ñuy respecte mais mm. quand suñu nous dise gaz, nit di gas fukki nit di suul mm-hmm. ne ba pas bari mm-hmm. mais on va nulle part et je pense que man euh, j'appelle euh, quand même à la responsabilité des uns et des autres mm-hmm. pour que au moins nous, jàpp ci affaire parce que SODAV c'est une la man dama fi en tant que euh, président du conseil d'administration, administration suba dama fi jógee keneen ñëw donc l'idée, bi mbir mi ñoo bok. une œuvre n'est jamais parfaite Mon am yo ne que peut être def mais sur le chemin c'est comme ça qu'on rectifie voilà donc voilà